ce vendredi 3 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action les examens virologiques suivants. Sur 150 12 sont revenus Il s'agit de 7 cas ces sept cas importés contre un pays africain intercepté à la frontière le 29 mars 2020 place à Velengara. En dehors de ces sept cas importés, nous avons cinq cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 11 patients hospitalisés ont été déclarés guéris L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont un évacué et 139 actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective Molire Len communiquez communiqué Taïbi. Taï bi tey ajjuma avril 2020 ministre de la santé et de l'action sociale jot examen testé, Si ci ak test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif fukk ak ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy cas yu joté bigim ma yëgal ne juróom-ñaar yoyu suñuy mbokk la compatriote yu demoon tukki ñew ñu tey leen fële ci frontière velengara biñ leen testé le 29 lañu ñu ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro ji bu dul juróom-ñaar yooyu juróom ñoo positif ñoo xamante ne ay contact la yu ñu doon suivre ma yëgal tam ne fukki patient ak benn yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey ministère la santé mu ngi leen di yëg leen yeneen patient yi ñu ngi yëg tan ci bésu tey bi bu ñu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom ñaari cas la ñu déclaré fii ci Sénégal juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn cas de décès ak kenn ku ñu évacué ñu jàppatay ne téeméer fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekk tey hôpital ñu leen di toppatoo ministère la santé et de l'action sociale Mingi wax population yi ñu continuer di respecter li ñu leen digal pour que ñu mën a gaaw ci xeex Covid 19 bi maa ngi leen di remercier bu baax.